Merci beaucoup, Madame la Préfète, Monsieur le médecin chef du district. Nous sommes venus ce matin ici au nom du réseau euh, euh, des alumni de l'ISFAR, ex-École nationale des cadres de Bombay, apporter notre contribution dans la lutte contre euh, cette pandémie que le Covid-19. cette association des sortants de l'ISFAR, après l'appel de, de, le Président de la République, monsieur Macky Sall, euh, qui avait demandé donc, euh, des efforts dans tous donc, les structures d'activité, a eu à mobiliser euh, ses membres pour collecter une certaine somme et venir apporter son appui au district sanitaire de Bombay. C'est donc tout un honneur pour nous de venir représenter l'association qui vient d'être créée, qui n'a que donc trois mois d'existence, et ceci constitue donc sa première activité. L'appui que nous apportons aujourd'hui est constitué de masques chirurgicaux, euh, donc 2000 masques chirurgicaux, de gel antiseptique, hein, donc à peu près 68 euh, euh, flacons de 500 ml, mais également de gants, de gants d'examen, à peu près 3400 donc, gants d'examen, mais également 10 cartons de madar et 10 cartons de, de javel. Tout ceci étant une expression qui avait été faite par le district sanitaire de, de Donc, euh, euh, c'est en tout cas donc, euh, ce qui nous réunit donc, ce matin, c'est avec donc, beaucoup de plaisir que le réseau des alumni de l'ISFAR est en tout cas donc, très fier de participer à cet effort de lutte pour enrayer, en tout cas donc, enrayer, en tout cas donc, faire sortir hors du territoire national cette pandémie qui est donc, le Covid-19. Voilà donc en quelques mots l'objet de notre présence ici, Madame le Préfet. C'est vraiment un acte symbolique euh, les sortants de l'ISFAR de Bombay n'ont pas voulu donc, euh, en tout cas donc, euh, être en reste, et ont en tout cas mis la main dans la poche pour essayer d'apporter cette contribution à donc, notre Institut de santé qui est l'éthique santé de Bombay. Voilà, je vous remercie. Donc, ok ñu ngi madame le préfet ak monsieur le médecin chef du district ñu ngi wax ni ñun tey le réseau des alumni donc de l'ISFAR euh, ñu ñu fi yebal euh, pour ñu ñew manam donc indi suñu ndimbal ci xex bi nga xamanteni mom la réew mi di xex ak fièvre bobu ñuy wax donc Covid 19. Euh, euh réseau bobu bi ñu ko créé ak légui léegi yàggul ñetti weer la am waye bi fièvre bi amé fexé nañu ba maanaam mobiliser donc donc tuuti xaalis pour mëna ñëw appuyer suñu structure donc de donc euh, sanitaire maanaam le district sanitaire de de Bambey li nga xamante ni donc moom la ñu bëgg jox donc district bi tey jii mi ngi euh, maanaam donc toll ci euh, ñaari junni masque donc chirurgicaux ak ñetti junni ak ñeenti téeméer ay gant d'examen mais également donc ay gel antiseptique ay savon madar mais également ak donc donc eau de javel loolu yëpp boo ko xay xoolee nga xayma ko ñu toll donc à peu près donc ci 1 million 420 mille francs bi nga xamante ni réseau mobilisé na pour venir donc apporter pour ñëw indi ndimbalam ci euh, euh manam donc xex bi nga xamanteni mom la département bi di xeex euh, pour manam euh, jëlee fi euh euh feebar bi nga xamanteni mom la ñu jox Covid 19. lool rek mo ñu fi dajal tay ji donc inshallah allah ñu ngi ñaan yàlla li nga xamanteni ni sumb nañu ko ñu yégal ci alhamdulilah rabbil alamin té kat feebar bi tamit donc yalla jëlee ko fii donc ci ci ci suñu département merci, <coughs> Madame le Euh, je voudrais remercier le Tromboj, la délégation de l'ONU. Je remercie aussi le président de, l'association Alumni ISFA. Je pense que GSB est magnifié à sa juste valeur. Parce que jésus est défendu à son heure. Parce que même si, en fait, l'État a donné du matériel, je suis l'objet de dire que matériel doudoy, n'est-ce pas Surtout que matériel de protection du personnel de santé, de Moussodoy. Donc, euh, État le voilà pourquoi les bonnes volontés, les associations, les ONG, nous déployons pour au moins nous avons une protection. Bien sûr que Bambé est cas, mais c'est la lutte globale parce que quand bu êtes Diourbel quand bu êtes Touba quand bu êtes si Sénégal il faut que nous aussi qu'on attend aussi à des cas maintenant bu fekkee y ngi xaar cas il faut nous préparer préparions. Le motard en fait geste béni, donc c'est un geste qui est noble et c'est un geste ça va beaucoup nous soulager parce que un million quatre cent matériel de protection nous nous na en tout cas nous, ñu ko rafetlu parce que on a de maigres moyens pour lutter contre ce Covid-19 n'est-ce pas donc état nous def flip. voilà pourquoi en fait Gaïne Fibambe finit, les bonnes volontés avec les médecins tout ça là nous dimbal ñu nous sommes pour ñu xeex coronavirus donc euh, je remercie euh, docteur Mbodj et sa délégation et le président aussi de Alumni ISFA. Parce que c'est un geste qu'il faut magnifier à sa juste valeur. C'est un geste aussi qui vient à son heure. Aujourd'hui, le matériel de protection ne va, jamais, ne va jamais suffire. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que d'ailleurs ce Covid-19 va disparaître. On ne sait pas. Voilà pourquoi, en fait, les, pouvoirs, publics ont mis, ont mis en place beaucoup de mesures qui contraignent les gens de se déplacer d'une ville à une autre. C'est pour ne pas en fait, amener le virus dans une autre ville. Et c'est l'homme qui amène le virus dans une autre ville ou bien quelque part. Voilà pourquoi ces mesures-là, on les magnifie. On magnifie aussi parce que ce geste va directement aux agents de santé. Donc, les agents de santé sont eux qui prennent en charge les malades. On ne sait pas qui a le coronavirus, qui n'a pas le coronavirus. Alors si tu te protèges, au moins si quelqu'un a le coronavirus, tu pourras dire que moi je me suis protégé avant de toucher la personne. Voilà pourquoi ce geste on le magnifie. En tout cas, moi personnellement, en tant que chef de district, je magnifie à faire ce geste qui est venu à son heure et Il y a beaucoup de, masques chirurgicaux, beaucoup de gants, il y a du gel qui, est là. Vous voyez, des produits antiseptiques qui sont là. Donc moi, moi, en tout cas, moi, je me réjouis à fait de ce geste. Merci beaucoup. son Donc, euh, tout d'abord, nous vous remercions d'avoir répondu à l'appel euh, lancé par le chef de l'État à la solidarité nationale dans le cadre de cette lutte contre la pandémie, contre, la pandémie du Covid-19. Donc, euh, tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que, en tant qu'ancien pensionnaire de l'ISFAR, vous êtes maintenant, si je l'ose dire, établi un peu partout dans le Sénégal. Mais vous avez quand même choisi les districts sanitaires euh, de Bombay pour y apporter votre aide cette contribution vient à point nommé parce que, euh, en plus de ce que le district sanitaire a déjà, elle permettra d'augmenter les mesures de protection et de préserver les agents de santé ainsi que leurs partenaires, qui sont, je le rappelle, les soldats de première ligne dans cette lutte, les épargner des risques de haute euh, contamination. Euh, tout d'abord, parce que tout simplement, l'ampleur maintenant que prend la transmission communautaire, il n'est pas exclu que le district sanitaire, bien que le département de Bombay n'a pas encore eu de cas, il n'est pas exclu, qu'il y ait des cas qui se présentent dans le district sanitaire. Donc, euh, pour faire bref, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir pensé au district sanitaire. Nous vous remercions de votre acte patriotique. Mais nous, vous demandons aussi d'être toujours à nos côtés hein, pour continuer cette lutte ensemble. Parce que c'est ensemble que nous arriverons à bouter hors du pays et hors de ce monde cette pandémie qui nous assaille. Je vous remercie. Euh, ancien pensionnaire ou alumni ISFA xamante ni tey ñoo ñëw indi seen district sanitaire bu Bambey indi nañ fi lu bëri indi nañ fi ay masque indi nañ fi ay gants indi nañ fi ay euh, gel hydroalcoolique lépp rek ci indi seen wàll ci xeexu pandémie bi xeexu coronavirus bi fii tey ci district sanitaire bu Bambey donc. Euh, dimbal bi dina jàppale personnel sanitaire bi ñoom nga xamante ni ñoom ñoo gën a bokk na si ñoom ñoo bokk na si ñoo xamante ni ñoom ñoo gën a exposé si feebar bi donc dina leen jàppale ci lu bëri bëri jàppale askanu département wu Bambey bi donc ñu ngi leen di remercier bu baax remercier leen si seen acte patriotique bi ñu taxawal tey fii di leen ñaan tamit nag ñu continuer nekk suñu wet ndaxte nag euh, ensemble communauté bi ñoo mën a génne mbas mi tey dugg ci Sénégal mang